auditrices et euh, et auditeurs des programmes du studio Kalangu, bonjour et bienvenue dans votre dans notre rendez-vous quotidien Le Niger sur Kalangu. Pour la présentation de ce lundi 30 octobre, je suis avec Mariam Adé et moi Salamotou Kadri. Mariam, comment tu vas Ça va bien, salut et toi T'es d'attaque pour débuter la semaine, j'espère. Oui, Salamotou, je suis prête pour tenir compagnie à nos auditeurs pendant une heure. Nous commençons avec les flashs et poursuivre avec de la bonne musique nigérienne. Puis on suivra nos différentes rubriques dans la rubrique hebdomadaire Justice comme chaque lundi. Nous aurons un, entretien ce matin, docteur Aboubakar Nahanchi Abdraman, neurologue à l'hôpital de référence de Maradi. Toujours dans cette émission, il y aura du sport, de la culture linguistique en anglais français. Nous bouclons avec les messages beaucoup de nos auditeurs. L'édition est tirée par Rahila Toussoumana et Adam Adawaki, la technique par Lawali Issa. Top, c'est parti. Chers auditeurs, sans tarder, voici le flash présenté par Nafisatou Adamou Sirfo. Nafisa, bonjour. Bonjour, salam tout. Bonjour, Mariam. Bonjour, Nafisa. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Les États-Unis décident d'accompagner le Niger vers une transition réussie, annonce faite mercredi par la sous-secrétaire d'État américaine chargée euh, lors euh, d'une visioconférence avec euh, des journalistes nigériennes. Nous avons été de bons partenaires et nous souhaitons le rester avec le Niger et son peuple, a déclaré Madame elle ajoute que son pays est prêt à reprendre les volets suspendus de son aide, y compris sur le plan sécuritaire au moment opportun. Pour y arriver, elle plaide pour une transition courte de deux ans et surtout de discussions franches avec la CDAO et les partenaires du Niger. La directrice générale de l'Agence nigérienne de réglementation du secteur pharmaceutique était devant la presse le vendredi dernier. Objectif à éclairer l'opinion publique sur la note d'information qui circule ces jours-ci sur les réseaux sociaux concernant des médicaments contenant des vasoconstricteurs. Selon le docteur cette liste comporte bien 25 produits largement utilisés par la population, souvent en automédication pour le traitement du rhume. Ce sont des produits assez graves pour un traitement de rhume selon, elle. Cependant, ils seront retirés du circuit de distribution tandis que pour d'autres produits, l'agence compte à écrire au laboratoire pour mettre fin, pour mettre à jour la notice d'information. Enfin, le Front patriotique pour la souveraineté décide de l'annulation du sit-in qu'il projette d'organiser à Niamey le 31 octobre, c'est-à-dire demain. Selon le président du FPS, Anas Gibril, cette date coïncidera avec la fin de tous les ultimatums liés aux accords militaires dénoncés par notre pays. Nous avons annulé cette manifestation, a déclaré Anas Gibril, parce qu'à partir de toute la semaine du lundi au vendredi, il y aura des mouvements militaires français dans le cadre de leur départ et pour éviter tout débordement, a-t-il expliqué. C'est la fin de ce flash d'information. Merci Nafisa, c'est le moment pour nous d'en savoir un peu plus sur notre sujet du jour. Et comme annoncé en début d'émission, nous allons nous entretenir avec docteur Aboubakar Nahanti Abdraman, neurologue à l'hôpital de référence de Maradi avec lui, nous allons parler de, l'accident vasculaire cérébral AVC à l'occasion d'hier de la journée contre cette maladie. Mais bien avant, nous allons écouter de la musique pour commencer, n'est-ce pas Maria Oui, moto est le premier artiste de notre sélection d'aujourd'hui est Dr Flo qui nous vient avec la chanson Bourou de Kosei. Bourou de Kekena. La frappe de Bourou de Bourou de Chechena, buru de buru de Chechena, buru de Chechena, buru de buru de Chechena, buru de Chechena, buru de buru de Chechena, buru de Chechena. J'aime 200 francs. 200 francs. Faut la prise à dents. Les moments sont durs, ça rafale dessus. Faut que je gagne le temps. Elle veut plaire la star. Bébé, c'est quoi ça? Je suis pas la dîner. si c'est Niger, nous qui font trop ça. Si t'es vrai, tu peux faire un point. Faire un trou, ce n'est pas si loin. Direction chez la femme du coin. Protocole, négo, pas besoin. La soirée animée en fleurs. Bout du fond, je décroche ma gueule. Avec gars positif humeur. Miam et life, on dit fuck burger. chechena chechena chechena buru buru buru buru buru de de de de cecena burude buru de chechena buru de burude cecena burude buru de chechena buru de cecena burude burude buru de cecena La vie du charbon, du charbon. Pas de perdre du temps, Tous les jours en force, il faut noter bon, on se tient au plan, Jamais dans le pain, dans le Mais j'adore ce pain, j'adore ce Y a pas de McDo, je suis Dr Flo, pas de Mougou Si t'es chef, va le faire ailleurs, pétrolier ou t'es faire ailleurs. Rendez-vous, ce n'est pas ailleurs, juste un tour dans le petit corner. Serre-le moins, je le veux au chaud. Un selfie, c'est pour les réseaux, pour les grands ainsi les minots. Deux, deux, c'est nous qui font trop ça. les tetena buru de buru de tetena buru de tetena buru de buru de chechena buru de chechena buru de buru de tetena buru de tetena buru de buru de tetena buru de tetena pour ceux qui ne savent pas bon, c'est tout simplement du pain fourré au beignet et c'est ce que nous appelons silencieux, n'est-ce pas, Mariam <laughs> En effet, cela tout. dans ces morceaux, les rappeurs Dr. Flo met encore plus en valeur ces c'est très pris par les jeunes Nigériens. Silencieux. sois béni, tu béni, Elise, la sœur de USA, mes respects. De bénédiction en bénédiction, tu iras. Plex. Guru de Tchétchéna, Guru de Guru de Tchétchéna. Guru de Tchétchéna, Guru de Guru de Tchétchéna. Guru de Tchétchéna, Guru de Guru de Tchétchéna. Guru de Tchétchéna, Guru de Guru de Tchétchéna. après cette sublime mélodie, on entame la première partie de notre entretien avec les AVC. En effet, le 29 octobre, c'est-à-dire hier, c'était la journée mondiale de lutte contre l'AVC, accident vasculaire cérébral, avec euh, pour but d'informer le grand public sur les facteurs de risque, mais aussi de l'importance de la prévention et l'urgence de la prise en charge des victimes. À Maradi, selon docteur Aboubakar Nahanchi Abdurrahman, neurologue à l'hôpital de référence, en six mois, plus de cinq cas d'AVC ont été récents il précise que cela représente 20% des consultations aux urgences. Dans cette première partie de notre entretien, il nous parle de la maladie et des causes. Il est au micro de Mohamed Maman. Voilà, de façon générale, c'est une pathologie qui touche euh, le cerveau, plus précisément les vaisseaux du cerveau. En termes clairs, euh, c'est en fait un déficit neurologique, c'est une perte d'une fonction que l'individu possède. Par exemple, parler, c'est une fonction. Vous allez voir, quand on parle de l'AVC, le malade perd cette fonction de pouvoir faire les gestes volontaires de façon spontanée. Et la perte de cette fonction, il y en a plusieurs. Il y a la motricité, la personne n'arrive plus à mouvoir, la personne n'arrive plus à voir, ou bien d'un coup, de façon brutale, la personne n'arrive plus à communiquer. Le langage ne sort pas, la parole ne sort pas. La cause, en quelque sorte, de cette perte de fonction, elle est vasculaire, c'est-à-dire c'est au niveau des vaisseaux du cerveau parce que c'est eux qui amènent le sang au niveau du cerveau. Et donc, si le cerveau est privé de cet apport, mais tant que c'est vasculaire, ça devient un AVC. Alors, c'est tellement dramatique Actuellement, euh, selon l'OMS, c'est-à-dire que chaque seconde qui passe dans ce monde, eh bien, une personne est victime. Les estimations qu'ils ont eu à réaliser, c'est que chaque année, vous avez environ 16 millions de personnes euh, qui seront victimes. Et puis, sur ces 16 millions, eh bien, vous avez environ 5 millions qui décèdent et 5 millions qui vont garder un handicap permanent. C'est quand même assez euh, dramatique. Ils sont allés même plus loin en faisant des prévisions, disant que d'ici 2030, eh ben, de 16 millions, ça va aller jusqu'à 23 millions, avec à peu près plus de 7 millions de décès. Le grand danger, effectivement, c'est vrai. On voyait en réalité ces données loin de nous, mais quand on essaie de voir chez nous, ça commence à arriver. Par exemple, ici, dans la région de Maradi, sur euh, à peu près deux ans et demi d'activité au niveau de la référence, mais on voyait cette pathologie arriver. Aux urgences, c'est 20% des activités des patients qu'on amène aux urgences. Vous voyez, en espace de six mois, on avait plus de 100 cas. C'est vrai, c'est des malades qui arrivent ici, donc il y a beaucoup qui n'arrivent pas ici. Les AVC, effectivement, parce qu'on parle au pluriel, vous avez deux types. Il y a la forme ischémique où le vaisseau est obstrué par un caillot. Le cerveau va commencer à souffrir. Maintenant, la manifestation que le malade va faire dépendra de la zone où le, cerveau, euh, le vaisseau est censé perfuser. Parce que le cerveau, c'est presque une carte. Chaque zone a une fonction bien déterminée. Et donc, la zone qui est privée du sang, si c'est la zone de la motricité, eh bien, on aura une perte de fonction de la motricité. Si c'est la zone de la vision, on aura une perte de fonction, mais cette fois-ci, de la vision. Si c'est une zone de la sensibilité, pareil. Si c'est une zone de l'équilibre, pareil. Le deuxième type, c'est que le vaisseau en tant que tel peut se rompre. Et donc là, c'est du sang qui va s'accumuler dans la tête. C'est ce qu'on appelle AVC euh, hémorragique. Il y a des formes assez rares, on ne va pas rentrer dans ça, mais il y a aussi d'autres formes qui sont assez rares, qui représentent à peu près 1%, que ici même nous, on commence à le voir. Mais là, on voit ça surtout chez les femmes après l'accouchement. quatre jours, cinq jours après l'accouchement, il vient avec une perte de fonction de la motricité où les quatre membres ne fonctionnent pas. Alors, docteur, qu'est-ce qui provoque ces AVC la cause ou bien les causes sont nombreuses. D'habitude, les AVC, on les voit vraiment du nouveau-né jusqu'au sujet âgé. Le premier facteur de risque, c'est l'hypertension artérielle. Par exemple, il y a beaucoup de gens, ils sont connus, ils ne sont pas suivis, ou bien même, même s'ils sont suivis, mais euh, le suivi est irrégulier, jusqu'à ce qu'ils développent l'AVC. Le deuxième facteur aussi qui est assez fréquent, c'est le diabète, qu'on voit beaucoup. Les deux facteurs-là, ils sont les plus fréquents. Mais il y en a d'autres. Des gens qui ont, par exemple, une charge de travail assez importante. Par exemple, selon l'OMS, qu'on dépasse plus de 55 heures par semaine, c'est un facteur de risque. Ou bien des gens qui ne dorment pas suffisamment. C'est-à-dire que quand tu dors au moins de 7 heures, il y a certains on peut le mettre comme étant un facteur de risque. Il y a certains médicaments, surtout chez la femme, par exemple les contraceptifs oraux, ce sont des facteurs de risque. Il y a aussi l'âge à un certain moment, par exemple que ça soit euh, chez l'homme ou chez la femme. Ça, ce sont des facteurs qui sont déjà là chez un individu, mais de façon euh, pratique, la cause qu'on voit, euh, c'est surtout L'artérosclérose. C'est quoi l'artérosclérose C'est-à-dire que c'est de la graisse qui a tendance à se déposer sur les vaisseaux du cou qui vont diminuer le calibre de ces vaisseaux. Et avec le temps, cette graisse-là peut se détacher un peu pour aller en haut, c'est-à-dire arriver au niveau de la circulation du cerveau, bloquer une circulation. Ça, c'est de la graisse. L'altérosclérose, on voit ça de façon très fréquente chez les sujets âgés pas chez les enfants ou les adultes, euh, mais c'est surtout chez les sujets âgés qu'on voit ça. Donc là, terre c'est la cause euh, la plus fréquente chez les sujets âgés. C'est les sujets jeunes, la cause la plus fréquente, c'est une dissection, c'est-à-dire que la, l'artère s'est fend en deux, c'est-à-dire que c'est comme si elle se divise un tout petit peu en deux, et donc le calibre de vaisseau diminue, et ça crée un AVC chez le jeune. Tout comme chez les jeunes, le plus souvent, c'est un problème cardiaque. Le cœur ne fonctionne pas bien. Chez l'enfant, par exemple, quand un enfant fait un AVC, peut-être 10 ou 12 ans, un AVC. Première chose que nous, en tant que spécialistes, qu'on va essayer de voir, c'est est-ce qu'il n'a pas une drépanocytose, une maladie hématologique. Et vous voyez, en fonction de la tranche d'âge, les causes sont diverses. Pour cette deuxième tournée à musique, je vous propose Yabissimila du groupe Tarnasa. Hmm. Dans l'orage arragé, le tonnerre se propage. Gon, tapé, tac, à ta c'est lui qui nous attaque. Et alors, là, tu rares. Boum, ah, boum, ah, explosion, explosion, expression. Énorme, l'intouchable, ton ça, c'est ça, ça. Ce nouveau monde du hip-hop est devenu, devenu. Dans Thomas intoxiqué, fidèle, qui n'a pas d'antidote, mais il se le remet sur sais, mais attention, t'attends. Tarnasa, tonnerre en Hausa, est né en 2002. Il compte à son actif deux singles, Yamare et Wassa, classés meilleurs single de l'année 2003. Wassa permet à Tarnasa de gagner en renommée. Bismillah du groupe Tarnassa, chers auditeurs, dans la deuxième partie de notre entretien, docteur Aboubakar Nahanchi Abdourahman, neurologue à l'hôpital de référence de Maradi, explique l'importance de la prise en charge rapide des victimes, toujours au micro de Mohamed Maman. Oui, l'AVC se traite. Le traitement doit se faire en extrême urgence. Normalement, dès que quelqu'un fait un AVC, c'est-à-dire les signes, d'un coup la personne n'arrive pas à parler, ou bien n'arrive pas à mouvoir une partie de son corps, ou bien d'un coup la personne rentre dans un coma, ce qu'il faut faire, c'est rapidement l'amener dans un centre de santé. Le traitement dépend du type. Et le malade, on doit l'amener avant 4h30. Il y a plusieurs types de traitements qu'on peut offrir aux malades si on les amène assez tôt. C'est ça qui permet de réduire le taux de mortalité et c'est ça qui permet à ce que le malade récupère. Je vous ai dit que comme conséquence, c'est que ça entraîne un handicap. D'ailleurs même, euh, c'est la première cause d'handicap acquis chez l'adulte. Quelqu'un qui n'a rien depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte, et eh ben, après un AVC, il peut développer une incapacité qui va rester comme une séquelle. Et donc, le fait d'amener le malade assez rapidement, ça va lui permettre de pouvoir récupérer parce qu'il va bénéficier des soins assez spécifiques qui s'est fait dans des unités neurovasculaires. Ça va venir dans nos pratiques. Tout patient qui fait un AVC, on doit avoir un numéro qu'on doit appeler pour que le malade, on puisse organiser, c'est-à-dire son transfert le plus rapidement possible, c'est-à-dire pour l'amener dans cette fourchette avant 4h30. Si c'est un AVC ischémique, c'est-à-dire que c'est un caillou qui a bloqué une artère, c'est pas une artère qui se rompt. En ce moment-là, il y a des traitements qu'on peut proposer qui va dissoudre ce caillou-là le plus rapidement possible. Parce que le cerveau, plus vous perdez du temps, c'est des millions de neurones qui meurent. À partir de 3 secondes de privation du sang au niveau des zones du cerveau, les zones, c'est-à-dire les neurones vont commencer à mourir. Et c'est ce qu'on ne veut pas raison pour laquelle on doit amener le malade le plus rapidement possible dans une structure de santé. Et cette structure de santé, le premier relais, dès qu'elle constate que c'est probablement un AVC, elle ne perd pas du temps, elle envoie le malade directement dans le centre où il peut bénéficier d'un traitement assez spécifique. Alors, docteur, comment prévenir euh, les AVC Alors, la prévention de l'AVC commence d'abord par euh, la maîtrise des facteurs de risque, dont les facteurs de risque primaires. C'est-à-dire, il faut tout faire pour ne pas développer, c'est-à-dire les facteurs de risque qu'on a cités si haut, c'est-à-dire l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité. Il faut tout faire pour ne pas les développer. Et comment il faut faire Alors, la première des choses, c'est avoir une bonne hygiène de vie. Il faut manger plus de légumes, moins de gras, moins de sucre, ça, ça va vous permettre au moins de ne pas développer par exemple l'hypertension artérielle ou bien par exemple euh, l'obésité. Deuxième de choses, effectivement, il faut faire une activité physique régulière. Pas du sport euh, de façon haut niveau, non. Vous pouvez par exemple euh, dans la semaine dégager ne serait-ce que 30 minutes trois fois dans la semaine ne serait-ce qu'une marche, en tout cas une activité physique, mais il faut que ça soit régulière. Ça vous permet vraiment de, de maintenir en tout cas une condition physique, une santé physique assez conséquente qui va vous quand même permettre de ne pas pouvoir développer parce que quand vous faites des activités physiques régulières, la graisse là qui s'accumule, vous la brûlez. Donc elle n'aura pas le temps de pouvoir s'accumuler. Voilà. Maintenant, euh, pour les autres facteurs euh, de risque, normalement, il faut vraiment euh, dormir euh, suffisamment, c'est-à-dire euh, en tout cas avoir une bonne hygiène aussi du sommeil. Deuxième des choses, l'activité professionnelle. Des fois, c'est vrai, c'est pas facile, mais il faut quand même rester dans le standard. C'est-à-dire, il faut pas aller au-delà de à 5 heures, là, dont on disait, parce que quand on s'épuise à un certain moment, effectivement, deux fois, il y a de l'AVC qui peut survenir. Ça, c'est pour la prévention vraiment euh, primaire. Maintenant, la prévention secondaire, c'est quand quelqu'un a déjà fait un AVC. On a identifié la cause, on traite la cause et on met un médicament pour faire une prévention secondaire. Maintenant, des gens, euh, par exemple, qui ont des maladies, par exemple hématologiques, il faut un suivi. Par exemple, un enfant qui, qui est connu drépanocytaire, il y a un suivi régulier qu'on doit le faire pour qu'il ne développe pas un AVC. Il y a des échographies qu'on faisait au niveau transcranien pour mesurer les débits de, de la circulation. Et à chaque fois qu'on voit que ce débit-là, il y a des normes qu'on regarde et aussi dans le sang de l'enfant, il y a des prélèvements qu'on faisait pour voir son taux d'hémoglobine. Et à chaque fois qu'on voit qu'il s'approche de la valeur qu'il expose, donc on fait des traitements. Donc ça aussi, c'est des moyens de prévention chez les enfants, pour, surtout pour, dans le cadre de la drépanocytose, pour que l'enfant ne fasse pas un AVC. Docteur, nous, nous constatons deux fois qu'une personne qui fait un AVC, qui est traitée, et qui rechute. Est-ce que c'est dangereux C'est extrêmement dangereux parce que si on arrive à survivre du premier AVC, le deuxième peut être fatal. Parce que chaque fois que quelqu'un fait un AVC, c'est un dégât au niveau du cerveau. La preuve en est que, en termes de conséquences, en dehors de la première cause d'handicap, c'est la deuxième cause en fait de, de démence. Quand on dit démence, la personne ne retient rien, n'arrive pas à mémoriser il ne peut pas s'orienter quand il sort, il faut qu'on le ramène. Donc la personne devient comme un enfant, euh, je sais pas, de 2 ou 3 ans. Donc il perd toutes ses capacités cognitives. Donc vous voyez, ça c'est les conséquences. La deuxième conséquence, effectivement, vous avez euh, l'épilepsie. Après un AVC, la personne effectivement peut développer une épilepsie, c'est-à-dire il va commencer à faire des crises convulsives. Tout comme d'autres conséquences aussi, eh bien, vous avez euh, la dépression. Parce que la personne a perdu la moitié de une partie de son corps, et eh ben, il se sent inutile, etc. C'est un cercle vicieux. C'est, c'est vraiment euh, une dépression que le malade va pouvoir euh, développer. Les malades qui font une récidive, peu importe si c'est ischémique, c'est-à-dire c'est une, réocclusion, ou bien si c'est hémorragique, le malade a encore saigné. La première de causes, c'est que deux fois, le malade, on n'a pas trouvé une cause de son AVC. Ou bien même si la cause a été retrouvée, on l'avait mis sous traitement, le malade a arrêté le traitement, le malade peut faire une récidive. Je pense que les deux régions qui sont un peu privilégiées, qui ont une imagerie, c'est Zender et Maradi. Donc les autres régions n'ont pas de scanner. Donc on ne peut pas confirmer. C'est ça le problème. Hmm. Quelqu'un qui a un, AVC, tant qu'on n'a pas fait un scanner, on ne peut pas confirmer l'AVC. On va juste euh, suspecter. Mais la confirmation, il faut faire le scanner cérébral. Et le scanner aussi, c'est lui qui va permettre à ce qu'on prend une voie pour le traitement. Euh, de façon générale, euh, l'AVC, on le voit dans plus de 75% de cas. Ça, c'est dans la littérature, c'est-à-dire chez des patients qui ont euh, plus de 65 ans. Donc, il y avait actuellement des études en cours donc euh, piloté par des étudiants de médecine qui font leur thèse. c'est qu'on avait remarqué ici, euh, la tranche d'âge de 50 à 60 ans, eh bien, ils sont les plus concernés. 50, 60 ans. Donc c'est comme si, en fait, oui, oui, ça commence à reculer. Ça commence à reculer, cela veut dire quoi C'est inquiétant. Dès qu'on a 50 ans, eh bien, il faut qu'on soit prudent. C'était Dr Aboubakar Nahanti Abdurrahman, interrogé par Mohamed Maman sur l'AVC. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Salam à présent, c'est l'heure de notre rubrique hebdomadaire à justice. Nous sommes lundi et justement, nous allons parler des droits des femmes. Plusieurs conventions et résolutions des conférences internationales ont été ratifiées, visant notamment l'amélioration des conditions de vie et le bien-être des femmes. Il s'agit entre autres de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention sur l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages adoptés par les Nations unies le 7 novembre 1962. Comment garantir les droits des femmes au Niger Réponse avec Gojememouna Gazibo, magistrate et présidente de chroniques juridiques, et au micro de Rafika Taher. Comment garantir le droit de la femme au Niger moi, je pense que les droits de la femme, les revendications légitimes des femmes ne sont en contradiction ni avec la coutume ni avec la religion. Les réserves émises par l'État du Niger, dans leur essentiel, c'est quoi C'est la repudiation, c'est la succession, c'est le divorce, c'est la repudiation, c'est le statut personnel. Mais en réalité, on peut bel et bien garantir les droits de la femme en tenant compte de la religion et de la coutume. À titre illustratif, aujourd'hui, la plupart des hommes qui répudient leurs femmes les font par exemple, sur la base d'un simple message WhatsApp. Or, culturellement et religieusement, lorsque vous repudiez une femme, elle a un droit, elle a un délai de vidité et surtout, vous n'êtes pas autorisé à l'expulser comme une chaîne. Or, aujourd'hui, c'est par voie du que les hommes expulsent les femmes qu'ils repudient. Donc là, ça c'est contraire à la religion, c'est contraire à la coutume. Codifier revient juste à dire mettre sur papier les conditions légitimes et religieuses, religieuses et coutumières dans lesquelles on repudie une femme. Aujourd'hui, si vous nous donnez un texte qui, en conformité avec la religion, dit voilà à l'homme les conditions dans lesquelles tu la répudies. Tu ne peux pas la divorcer avec grossesse. Tu ne peux pas la jeter hors de chez toi à 2 heures du matin. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. C'est tout ce que les femmes demandent. Aucune femme nigérienne ne demande que le législateur viole la, religion, viole la coutume pour lui offrir un texte. On dit juste non. Donner un document et amener les hommes à se conformer à la coutume et à la religion lorsqu'ils refusent. Avec ce contexte politique actuel au Niger, que suggérez-vous aux femmes pour la promotion de leurs droits Je leur conseille de saisir la brèche de la transition qui est un moment opportun parce que les gens vont me dire que non, il n'y a pas l'Assemblée nationale, mais c'est que toutes les questions en lien avec la femme, en période de démocratie, eh, les, politiques pensent à leur électorat avant de penser au bien-être de la femme. Aujourd'hui, les gens qui animent la transition n'ont pas de, comment on appelle ça, n'ont pas d'électorat. Donc, en ce sens, eux, ils peuvent en toute responsabilité garantir les droits de la femme sans euh, calcul, sans, et eh, comment on appelle ça, sans arrière-pensée. Donc, moi, je demande aux femmes de se mobiliser, c'est l'heure ou jamais, pour porter leurs revendications légitimes. Et maintenant, écoutons Kidin Soya Derabe Oziri, Megulmi et Benji, un duo tout simplement wow. Bismillahi, Allah ka ba mu sa'a. Amin. Allah ka taimake mu. Amin. Allah taimaki bayinka. In ji rabu dan garba, ni auta mai kumbe. Ta gani tana so amma babanta ya hana MC, Radical, Benji, sais, c'est de la bombe, bébé. Sur ce beat, tu viens, tu bouges ton corps. Phénoménal, NCI, radical, Benji. Toi-même, tu sais, c'est de la bombe, bébé. Sur ce beat, tu viens, tu bouges ton corps. Oh, Gawar Hanawa. Idan kana hanawa na san wata fait boum boum boum ya oh les la mon amour Maïloba Dans cette vie d'amour soleya je pense à toi ma chérie Maïloba Oh yo sen na gane gidiya na a, kamar wata sallah don tsananin daɗi na yi waka wannan waka yan soyayya bon kerfe bum bum bum beya ore mo na muru mai loba wasa ba faɗa ba ne ba kai yaro ya zagi babba duniya taɓawa ka san wani ne ba zai taɓa ba wata ran da mu ake yi wata rana ba da mu ba za a yi ko mun mace na gambo ko tsuha ya ishe mu Gaga. انا اصطفر ومبلوس سيكي بقول الزمان قال لك سنتير ابك كده دبل ملاذ ابك الى كاتس يا yarinya mai kyau ka gani kana so arte ba a baka wata ran za a baka ke da musu gurmi za su baka yadda ke da musu kurmi ko sun yarda kai ke da musu gurmi ko ta Kidi Soya est bien le titre que vous êtes en train de kiffer de Rabi Waziri, Maïgoulmi et du rappeur Benji. Les deux sont originaires de Zander. Un featuring qui a bien cartonné et ça a fait bouger la jeunesse à ah, Nigeria. bien sûr, hein <laughs> Oh on my so so yeah yeah. soyayya mun kirfe bun Just just before I learn some C'était Benji et Rabé Waziri. Chers auditeurs, portant en région à présent. Aujourd'hui, notre envoyé spécial à la mine Ouachère nous amène à Dosso, plus précisément à Birningaure, pour parler de la vente des pailles. Une activité rentable ou pas, je vous laisse découvrir. gauberi binnin gawar kwarfora de borai da bazan ko wanda ya zai de gingai feri almi an fo borgo dere saku fo an fo borgo dere saku hinka o oh. an fɔ mo bor si ba nera isi i kwal kai dia ra inno bore go gate wallahi nori ke siya mu du noru ko kan gir murada ite to wallahi goyo han kan si go gate i wo izin ya yan no tabi go yi labora i go harai da kai dia to kai di albarka ra da na fara i ga kumna kumna su bi zai ga du ngwari kan da yi zai gundaira zaira bo ga du saku hinka saku hinza han fo manera han fo ni sinera din du noro ni ga hinga dai gari ize kwapta ize din iza gama sa ko zangu zanguda inir ganera sa fo yi ga nera wa hakku wallahi ga funda nan nangu moro ga koi fakara yan yi ga koi kar kara kulu nan gu fo yan kala ira iradir ngwara gin no nan gu fo yan misinno i mo ma faro kasir go goga kano ya yi zan kai ba funa bafuna ga bi makubandi bubukar umaru dai ko fono kan ka ga sabanda ngo kayadi subo kya da yan amma dai nera nerandike wo kai ine kan subo gafala bubukan ne kan wanda yayi wo igoni ngai bonan faratira muradu wo ne ki gona gati wala shugo dai mo ke fonde bor ka kal bor mo yake zan bor da kya da bor mo goni ra kan ga neran doga ne amma ro kirga ha zamni di kan ni kan ndi wo bor bayan ko no gono zan kai mu irwo dirgudu gamara im ke ki se santar tayan wani wodin ga zam subo neran wo wasu dumi da bor mo ha goy mo da man nera furkudai na ga te fonda wo ga zan boran gona kaman subo ni go ka dai fa igo ka ke kino ni kai ga subo sakura ni ga zangu buranin gin no zangu taki da matlakal ko na ga aga yadda bu a sai no ngware hino bore ga diga no fondo imte center zambin ni ga na ma santro go mori se amma ne ga mora da morgu be no ba me zondi pe zango santro no kande irka kayo bore sai dogane kan ganan zankai ti furgo yamara aminu sumana nodini doso sata effectivement c'est une activité qui se développe de plus en plus sur la route entre Birni et Margou et les femmes les jeunes filles s'adonnent à la récolte de la paille ils viennent vendre au bord de la route nous sommes dit que vraiment c'est un constat qui expose et eh, ces jeunes dames et ces jeunes filles là à tous les dangers parce que certains disent qu'ils partent ailleurs très loin pour chercher ces, ces, ces pailles là certains disent qu'ils passent dans les jardins pour les chercher parfois on leur donne parfois on les refoule. Ils disent qu'ils viennent, certains pour faire leurs besoins, certains pour nourrir leurs enfants. Et j'ai dit, elles sont exposées de... Parce que vous voyez, une jeune dame ou bien une jeune fille qui part dans un jardin auprès d'un gaillard pour chercher la paille, et parfois elles sont exposées. Vous, vous, le comprenez mieux que moi. Elles sont exposées. Et parfois elles partent très loin, isolées, une dame isolée dans la brousse là, imaginez ce que ça, ça fait aussi. Vraiment, elles sont exposées. Mais elles n'ont pas le choix et parce que c'est pour subvenir vraiment à des questions de survie et de subsistance annamadai dai gomdu ko bobu ne wo da zanku wanda wo imi don na ngandi muradu karai yin gadu dala a gibon gudabu ya din mono a gana yi murada yi feri su subu ne wo igin kai mon gai bonga C'était le reportage d'Alamine Washer rendu au studio par Habib Garba. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. c'est le moment de la page sport avec Adam Sariou. Bonjour Adam. Bonjour Mariam. Alors, euh, quelles sont les informations sportives pour ce début de semaine Alors, allons à Gadez où la semaine passée, ils ont lancé un tournoi de mise en jambe pour les équipes qui seront engagées dans les compétitions nationales à venir. Cependant, aujourd'hui, c'est au tour de la Ligue régionale de Zander de procéder au lancement de ce genre de rencontre. Pour rappel, quatre équipes seront engagées, à savoir l'Espoir FC, qui jouera d'ailleurs en Super League s Police de Zander, Kandarga FC et FC Zundruma. Adam Changeant à présent deux registres à la Coupe du monde de rugby. L'Afrique du Sud remporte son quatrième sacre mondial face à la Nouvelle-Zélande. Eh bien oui, une victoire continentale car l'Afrique du Sud s'est imposée sur le fil face à la Nouvelle-Zélande sur le score de 12 à 11 en finale de la Coupe du monde de rugby vendredi au Stade de France. Les Sud-Africains décrochent le quatrième sacre mondial de leur histoire et conservent leur titre de champion du monde acquis en 2019. Terminons en boxe avec le choc de titan entre l'anglais Tyson Fury et le camerounais Francis Ngannou qui a eu lieu ce samedi 28 octobre à Riyad en Arabie saoudite. Mis au sol au troisième round par le Camerounais, le Britannique remporte tout de même la victoire face au Camerounais Francis Ngannou. Eh bien, c'est la fin de cette chronique. À bientôt pour un autre numéro. Merci, beaucoup, Adam. <laughs> Chers auditeurs, place à présent notre portrait du jour. Eh oui, moto. aujourd'hui nous partons à Dogondouchi à la découverte d'une jeune nutritionniste du nom de Frère Ali. À ses heures perdues, elle mène d'autres activités comme le théâtre. Son portrait avec Samira Rouafi, rendu au studio par Zainabou Abdou. Frère Ali, ses amis la surnomment la dose de bonne humeur. Elle a toujours le sourire aux lèvres nous confirmons cela car c'est avec un large sourire qu'elle nous reçoit. frère Ali nous parle de ses différentes activités pour lesquelles elle crée toujours les conditions. Je vous ai dit que je suis nutritionniste de formation. Je fais du sport aussi parce que je suis une basketteuse. Je fais de la comédie, aussi une actrice. Quand tu as la passion de la chose, tu fais tout pour avoir le temps pour cette chose. voilà, quand je fais du théâtre, je, me sens à l'aise quand je donne souvent des conseils, quand, quand je fais aussi rire les gens. Dans une ville aussi traditionnelle comme Douti, le lifestyle de la jeune fille attise la curiosité des uns et des autres. Mais cela ne la dérange pas pour autant. Bon, les gens me voient souvent comme une fille qui ressemble aux hommes. Surtout quand je monte sur ma moto là. Et quand je mets aussi en tenue du sport, je passe. Les gens sont curieux de savoir qui est cette fille là qui passe sur une grosse moto comme ça. Souvent, même si tu ne veux pas répondre aux, aux provocations des gens, tu es obligé de répondre parce que tu ne peux pas tout supporter. La jeune fille a pour ambition de faire connaître ses racines à travers ce qu'elle fait dans le milieu artistique. Mon souhait, comme je suis une fille de d'outils, vraiment ce que je veux, c'est être une actrice internationale. Voilà, faire sortir le nom de ma ville d'abord parce que je suis fière de ma ville. Et après, le nom de mon pays, qui est le Niger. Raham Salha, membre de la troupe dans laquelle la jeune fille joue, dit être fière de Frera qui se donne corps et âme pour ses passions. Cette jeune fille, je la connais, nous habitons dans la même ville. Je vois comment elle travaille pour réussir. Maintenant, elle est avec moi pour se former au théâtre. Je dirais que c'est une fille courageuse qui a envie d'apprendre et de réussir. Je lui souhaite plein de succès et de réussite. La jeune fille nous confie ne jamais choisir entre son domaine de formation et ses passions. Les deux se complètent chez elle. Il est 11h passé de 42 minutes, euh, chers auditeurs. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de notre émission Le Niger sur Kalangou à travers nos radios partenaires. Mariam, un dernier tour en musique avec l'orchestre Tal National qui nous chante Gaïda.

de l'orchestre Tal National, chers auditeurs, place à présent notre loti du jour. La chronique loti porte aujourd'hui sur une tradition nigérienne. Certaines personnes évitent de prononcer les prénoms du bébé avant le baptême, qui est généralement célébré au septième jour qui suit la naissance. Écoutons cette discussion entre Rekia Arimi et Samira Rouafi. assalamu alaikum burkul si windo worano wa alaikum assalam hey kyoro furo ninno wai wai wai wallahi hunkun dungai gono matin goy kyora hmm, nisi babai amma ai nir koy sabu matano gogite monno ni funu zari sanko wora ai kyora lela ko ardai nai funu bino a hai kulai koy ga barka hey wati labari hannu ni binde wani nu ganan ni mu fatta zari sanko wora ga windi wodi woni gicimbu Ama, hunkun zaro hinne go gore siga he kulte se no ani to nem Ah ga kai to ifo no ni do ise labari kunno si e chora. amma haifu ifo ki A se me ayus irson zamani we we siga faham dainu ai siga faham fahaman se nidi wato kan irgo zanka cabai igi sintin gazanka ce dinga mayo koyin mu iye hayyan wo bandani gate alhalira kan son za ku caka an igi sun tinga ce dinga mayo ko yin mu bore gi su bai digi ce bai su di. e ni oni go gidi kan hayo mante ome ai di yin woga bore him girna mai dir wani addina gananu a a kyoro wani wo mante kimino ni goga addina da na mai dan kyarra. ai man faham mante addini no ganji im ce dinga mayo kalce ba hane dumo im goida ce ba hano mm -mm. wani kimino wadin seno a ni se kan nigo ga addina Da na mai dan kira ni bai kan ba bifo irna fa karawo te inda alfagafo aha to fahaman dai semi ni bai arsilam ra. igihin gazan ka mayo ke za a hawa na hayan wuga mm. igihin mo imke ba hannu sosorandi wani mo binde irkoi da su ginda halasi matabbata ga sunna no ne igihin ga kebaite girbi iya hani kan ina kukiya hai aya wala hadisi kulno sino kan gane imsi keba sosorandi agin gite hanfoyen borasin da noru kan ga fegyo dai ni ga baimo in ki kurana ra kan irkwai si hinga tinai kul da ke inga tamo bon kan asi hinga gere ya dingani di mm. igi hinga ga sosorandi hal a mutunan kan boradu noru kan ga fegyo dai oh so hon faham ya dinga zagayen irwo ga hayedan can aha ni faham ni bai hal arsilam tare ka irna mai dirwana aladai gono wadin seno hanfoyin irga haye dan cara an kanse ahima irmice kiga faham aimir haye ka carga tondi don dai gor funo wani yan kulu manna yi mare wadin seno a ga bori burin cinga kwara kwara <laughs> ai sabu kan nai no bon feri sanno bo asinda tali cero haikan ai gihin gate ni sai dai noya to zaro go furgumu ai mhm. koi to kiro nangai mindo C'était Rimi et Zainabou Abdou. Merci les filles, chers auditeurs. Place à présent à la culture linguistique. Et le mot nous est proposé par Jackie Dalton, responsable éditorial de la Fondation Hirondelle. Hello, it's nice to be with you. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler du mot démocratie. Car Lukman, qui réside au quartier Niamey 2000, a contacté Studio Kalango pour savoir justement ce que c'est la démocratie en Zerma. Et on s'est dit, autant le faire dans d'autres langues aussi, comme l'anglais. Donc, savez-vous comment dire démocratie en anglais C'est simplement democracy. Donc, le mot est très similaire. Democracy. Démocratie. Alors la démocratie, bien sûr, est une forme de gouvernement où le pouvoir est entre les mains du peuple. Peuple en anglais, c'est people. People. People. Et en fait, le mot démocratie ou democracy vient des deux mots grecs. Le premier mot, c'est demos, qui signifie peuple ou people, et kratos, qui signifie pouvoir. En anglais, pouvoir, c'est power. Power. Demos, People, Kratos, Power. Et dans un système démocratique, le peuple, the people, ont le droit de participer au processus de prise de décision et de choisir leurs représentants. C'est-à-dire, ils ont un certain pouvoir. A certain power. Central à la démocratie sont les droits humains, l'égalité et la liberté d'expression. Savez-vous comment dire liberté d'expression en anglais? C'est freedom qui veut dire liberté of expression, d'expression. Freedom of expression. Liberté d'expression. Freedom of expression. Maintenant, on va revenir sur ces mots et phrases clés qu'on vient de voir pour vous tester. Alors, premièrement, comment dire en anglais peuple Peuple, c'est people. Et que veut dire en français le mot power Power, c'est pouvoir. Comment dire démocratie Democracy. Democracy. Et enfin, comment dire la liberté d'expression en anglais Freedom of expression. Freedom of expression. Pour récapituler, people, power, democracy, freedom of expression. N'oubliez pas de nous contacter si vous voulez connaître d'autres mots en anglais. Democracy. That was today's English word. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, Hausa, Anzarma, tamachek ou Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Sali, il est temps pour nous d'écouter nos auditeurs. aigi studio kalangu bai lor mani zamai ga hangan zamai wai nu robun bona ga dankace dai te handufa cegu ya monu da te girbi idu dai ne ce sifwa a pelo amma dai dan kredi iga kai dal ai mini kapte ba son da kalkai ni labari hanga labari kunna ga hanga pat ayo kadai banin ga emission wai gwara ga hanga o studio kolon gujurna man teno kai sa hanga dolotti sigirodi ma dalla do ka gane choro ma dalla gani oh. hanga mm, zami ga salan noy mene manani hankan ni gaba de no da truwa no da no ni manani o oh. mm, ai shi bai min tu na gane wal mata yan ai dai ga ma dai amma ga hangan cincimi ai gan da bore kai ga fo to ai ga alkairu fo dai kan go gaya ai ga mustafa fo kan go nyamai chauffeur no ai ga himadu lazare fo ai ga abdul nasir rutfilin jafo suna na hawa mara hashim anan dogon duci To yanzu cikin wanga shirye-shiryen harkokin wannan ra'ayin. Mm, shirye-shiryen jido kalangun nan da suka sa da halal sa suna dai bibbirge mu dai in sun sa su dai suna yi muna don muna saurara su. Ina gaida eh, Halima Abujan, ina gaida Garki da Nana, ina gaida Maryamu mata dan babba, ina gaida Mamma Umarito da sauransu dai duka. ina gaida madan samira assalamu alaikum sunana malam iso gidan iddar ni mai sauraron studio kalango ne muna yaba mu studio kalango akan abubuwan da ta yi na waye kai akan tsaro akan ka tsaro a cikin ƙasa da kuma shirye-shirye waɗanda sun ka shafi wayar da kai a cikin ƙasa a cikin wannan yanayi da ake ina Eh, roƙon al'umma duk gaba ɗaya na Nijar su ba da tasu gudunmuwa kan a samu kwanciyar hankali a cikin ƙasanmu Nijar gaba ɗaya. Saboda uwa ɗaya uba ɗaya ake Nijar duka gaba ɗaya. Muna gaida dukkan mutanen studio Kalangu game da wannan ƙoƙari da suke yi. Muna yaba musu kuma muna jinjina musu. Na yaɗa duk manufofin al'umma a faɗin Nijar gaba ɗaya. Muna gaida su sosai sosai. Suna na Jan Kirdo. studio kalangu suna mini abin da nika so sun da kaga yanzu in an kai magana ko da turanci na in ban gane sai a mai da namu yaren hilatan shi kaga sai in gane kenan ni tunan sun gama mini komi ni ina jin daɗi kai ni dai komi na su birge ni shi kai ko da yaushe dai ni in nisa ina jin daɗi har da in an kasa kiɗan na ana studio kolongu ina gaisa ina gaisa shanuna ina gaisa uwayena cette chanson d'amour qu'on vous dit au revoir. Vous étiez en compagnie de Salamatou Kadri et de Mariama Adey. L'édition a été assurée par Hilatou Soumana et Adama Dawaki à l'édition. À la technique, c'était Lawali Issa. Rendez-vous à 17h pour le journal. Au revoir, bye bye.